la Fada, votre émission hebdomadaire de la jeunesse nigérienne. La thématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le port du casque. Yozamihiran, sa casque de ceinture de sécurité. Hat mota a cikin manya-manyan birane yanzu yana tada hankali. Shekara ɗaya bayan an ce kowa ya sa casque, kowa ya sa ceinture de sécurité, har yanzu wasu matasa su dai abin bai sha musu kai ba. In an ganka a mota, bakar ceinture, jika goma kake biya kuma an tsinka aika maka da kaska hallo shi kuma jika biyar zaka biya to amma duk da wannan consul pas la fas har yanzu matasa ba sa son sa kaska sai dai ayi ta ayi ta fentan police an an tsinkaye shi a sauya hanya an an tsinkaye shi a doki wani viral wata hati a buga kai ga wani abu a cikin wannan fada shi yasa muka gayyato matasa da zasu zo su hira tare da mu kai kwanakin ga motuna har amshi su ake pour faire le tour de cette question nous avons posé notre studio en plein centre ville de Niamey ga muna a place Montaigne nan face commissariat central au menu de ce grand magazine, nous aurons un vox pop, de la musique et la chronique d'Olivier. Selon les services nigériens de transport, la route tue en moyenne plus de 80 personnes par an. Abun yana Inda kaga wani wai ya maka Kupan, in baka ga wani priorité Sere kagawani ya tsere shi da sanda ensanda. Franchement cikin hirar mu ta yau muna so mu san yasa wasu matasa har yanzu sa wannan kaskakin in an samu canji tunda aka dora dokal muna mushan sami shi kuma zai tuna mana amfanin sa wannan cette fada nous sommes avec euh, Ali Omaru il est le président des jeunes. Président ina kwana ya muna lahiya lau kuna lahiya to ya gogor maya ana ta luci na zo da kaska ina kenan ta ba <laughs> <laughs> sai ban kun ga president ma ya sa kaskin shi kenan kowa ya kama jikin shi eh, To a wannan k'i muna tare da ga mun sunanka? Malam Nasiru Bodo. Malam Nasiru sannu jeune volontaire. Oui, pour la sécurité routière. To ku kuma ya aikin naku? Ana ana ta yi da dama dama. Muna muna ta maya. Muna sa in kasa su kan kanu su waye su gane da cewa akwai muhimmanci cikin wannan san kaska da san. To Allah dai taimaka. Amin. <coughs> Muna tare da mushan Samis wannan ofishin da in aka yi accident su ake kira. Su ake kira kamar safar pompier ne koko da bambanci. Ina kwanan ku? Lahiya Muna yi sunan ku? Bubukar mamudu sunana. to bubakar mamudu ku ne yan sami ku ne aka accident ko ya kamata a kira ko mu ya kamata a kira ko ku ko yan safar pompi ko mu ko yan safar pompi to sanun ku da zabu sakan shirin dus à la fada <laughs> Avant de donner la parole à nos invités, écoutons ce micro-trottoir réalisé par Rukaya Mujira Aimata Sabot Sakansa Casque. Ina hawa amma ba ni ke tukawa. Eh, su ina sa kasu. Kamar in nesa ne inda zani ta ko da an samu accident yadda wanda bai da kask zai jimu wanda ya sa kask mu bai zama dai Si aujourd'hui lui le jeune il porte sa casque c'est pour c'est pour lui-même en fait parce que c'est pour sa propre sécurité. Ni ina sa kask ban ma iya tafiya ba tare da kask ba biskit tana da mahimmanci sosai mutane ba su respectan ka'idar kask sai ki ga mutum ma ya goyo mutum ba tare da su duka sun sa kask ba kuma aka kama ka zaka kwatanta da lalle lalle gwamnati tana da keta kai kuma kai ne baka da gaskiya je prends les casque pour éviter la police parce que je porte des cheveux donc je vais pas mettre les casque pour me mettre des, un pied de désordre en fait euh, pour ma propre sécurité là vraiment il y a un sérieux problème mais je porte le casque juste pour la police donc kun shi cikin wannan rahoton da aka yi wani matashin shi caye saboda polis ma yake sawa saboda police yake sa ceinture kin sécurité kin Au fait, moi ce que je peux dire c'est que cela voilà, indique euh, le degré d'inconscience fait de, nous, jeunes. Parce que nous, par rapport euh, à notre groupe de jeunes volontaires, c'est effectivement pour intervenir au niveau du changement de mentalité. Il faut que les jeunes arrivent à comprendre, et pas seulement les jeunes, même nos, aînés, que et la ceinture et les casques sont là effectivement pour permettre à nous autres de nous sécuriser. Ce n'est pas pour euh, fuir la police ou par peur de payer une amende, non. L'État ne cherche pas au fait l'argent en imposant des mesures comme ça. Ce n'est pas l'argent qui est important dans, dans, cette lutte ou dans ces mesures que l'État prend, c'est plutôt la sécurité des citoyens parce que c'est à l'État, au fait, de protéger la sécurité de ses, de ses propres citoyens. Et bon, vous voulez, et si on veut, on peut dire aussi que le port de la ceinture de sécurité et, des, et du casque contribue à alléger aussi la souffrance, si vous voulez, de, nos médecins qui sont toujours hautement sollicités parce qu'effectivement, il y a trop d'accidents et par défaut des casques ou des ceintures de sécurité, les accidents là s'avèrent très graves. C'est encore plus grave. Donc, ah bah, wannan rashin sani ne ma dan dai akwai rashin sani ne kuma an ce rashin sani ya dare duhu donc c'est un peu ça et, et quand la personne comprend d'elle-même que c'est pour sa propre sécurité elle peut même ignorer la police c'est d'abord ta propre sécurité c'est le plus important to yanzu mu dawo gare ku muna ai ƙara kuna ai ƙara tuna muna sunan ku Bubakar Mamudu Bubakar Mamudu ko major Insami major Insami mm, to to kun jira da wannan matasan suka ce qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes là mais je pense que celui qui dit il ne porte le casque ou bien il ne met sa ceinture qu'à cause de la police le problème peut se situer à deux niveaux. Ou comme il l'a dit là, il y a une inconscience. La personne, il sait pourquoi on lui a dit de porter le casque ou de mettre sa ceinture, mais il s'en fout. Mhm. Il n'a peur que de la police. Il n'a pas peur pour soi-même. Il n'a pas peur. Mais, oui, parce que si on dit de porter le casque, c'est pour soi-même. Ou de mettre sa ceinture, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour soi-même. Ce n'est pas pour la police, ce n'est non plus pas pour les gens qui vont vous recevoir à l'hôpital. C'est pour soi-même on met le casque, c'est mm-hmm. pour soi-même on met ceinture, pour sa sécurité. Celui qui tombe qui n'a pas de casque et celui qui tombe qui a le casque, c'est pas les mêmes blessures qu'ils vont avoir. Euh, mais il y en a aussi qui peut-être n'ont pas compris pourquoi on porte le casque, ils n'ont pas mm. eu. Donc là, on doit continuer la sensibilisation pour dire aux gens que vous portez le casque pour vous-même. Si tu n'as pas de casque et que tu tombes, ta tête va se casser. C'est pas la même chose que celui qui porte le casque. Tu ne vas pas avoir les mêmes blessures. Hmm. La gravité n'est pas la même. Kuma kaskake ma yawan sa shi a gane ya kamata a darma shi. Mu shan sami kuna iya gaya mana kaskake dora shi ne kawai ya kamata a yi bisa kai ko ko sai mais quand tu mets le casque tu, tu n'attaches pas, c'est comme si tu n'as pas mis de casque parce que le ah. casque va sortir avant que tu ne tombes. Donc c'est comme si tu n'as pas mis de <laughs> casque. Hmm. Il faut bien attacher le casque. Ba sa wan kadai ba ka darme. Kaske ma an sa darme shi. In baka darme ba c'est c'est comme si tu n'as pas mis. Mhm. Mais oui parce que le casque va tomber avant toi. Là ça ne va pas te protéger. <laughs> Gaskiya. An yi aikin banza kenan. ka sa casque ka darme ba an yi aikin banza. to kamar an raga muna tare da Aliyu Umaru president da amma kuma coordinator kin ONG Fonde Mabori to yanzu kun ji wannan matasan su suka ce wai su kawai dan police suke saka su yanzu kai president jean kai da a president kin su ya kaga wannan zancen mutum ya sa su dan police kadai wannan eh me kake rishin tarbiya ne tunda in an sa doka ya kamata a yi respectan doka cin san wanda bai sa kaska ba kama yana so yi defi luwa ne eh defi autorite tunda mm. akwai infraction da yawa da ana yi in baka da assurance in baka da dalma in an ganka ba a sani sai an an me aka ce an yi bincike ko amma baka sa baka sa kaska ba tun police ya ganka <laughs> kamar declaration da gere <laughs> ku gani kamar kama raina ba ka raina ba su ne ka iko ne ka raina iko ya raina iko ya ko ke da an jarida Donc, hein. euh, chaque fois, on le dit, tu sais, c'est de l'inconscience hein, pure et dure. On ne porte pas le casque pour euh, la police. D'ailleurs, il faut éviter euh, de porter le casque pour l'autorité. Le casque protège votre tête. Le casque ne protège pas la tête de la police ou du, médecin qui va mm. vous soigner. Donc, c'est pourquoi nous devons comprendre que notre tête représente comme un œuf qu'on jette sur le goudron sans sécurité, sans protection. Évidemment, ça, ça va s'exploser et tous ces traumatismes crâniens sont dus malheureusement au manque de port de casque. Et les conséquences sont très lourdes. C'est-à-dire que beaucoup de familles s'appauvrissent aujourd'hui parce que le jeune inconscient de la famille qui n'a pas porté le casque, tout l'argent de la famille va aller dans les soins de ce dernier. Mais pour la ceinture de sécurité, c'est encore pire. Vous savez, euh, lorsque vous conduisez déjà à 50 km à l'heure, votre poids s'est multiplié par 4. Donc vous devenez un véritable projectile. C'est pourquoi, à défaut de ceinture de sécurité, suite à un accident, beaucoup sortent carrément du véhicule. Comment un président est inconscient tout le monde, vous savez, lorsque vous conduisez par exemple un véhicule à 50 km à l'heure déjà, votre poids se multiplie par 4, ce qui fait que vous devenez un véritable projectile. En cas de choc, vous sortez du véhicule. Et les conséquences, sont que souvent, quand le véhicule fait des tonneaux, vous allez voir que celui qui sort en premier, et ce projectile-là qui n'a pas porté sa ceinture de sécurité, on retrouve souvent des véhicules qui tombent sur eux. C'est ça qui aggrave leur situation. Donc il faut que les gens comprennent que la ceinture de sécurité a une capacité de contenance de 4 tonnes. Donc quel qu'en soit notre poids, la ceinture peut nous retenir. Et hmm. c'est le plus intelligent. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, avec les véhicules intelligents, vous allez voir il y a une signalisation sur le, sur le tableau pour vous mm. notifier que vous n'avez pas porté de ceinture. Mm. Qu'est-ce que les gens font, ils, font ils, ils, portent la ceinture, hein. ils mettent ça, mais ils contournent l'air d'eau avec. C'est de l'inconscience spirituelle. Donc il va oh falloir que nous continuions vraiment à sensibiliser pour que la tâche soit allégée à la police, aux familles, aux familles en tout cas aussi. de santé. Ouais. Malheureusement, vous l'avez dit, le nombre de tués sur nos routes, euh, hein. c'est inquiétant. C'est inquiétant. 800, 800 la sensibilisation à elle seule ne suffit pas. Wanda yara an euh, dauka moto, ça ne suffit pas. Ali su. <laughs> Non mais y a alike su da c'est pour sécurité. un alike wani mutun, eh mutum biyu, mutum uku. Na rage da Allah sai ga mutane, sai ga mutane. <laughs> Yanzu yanzu ba ki iya ki shiga cikin taxi, ba ki sentir ba. Pourquoi? Parce que quand le taximan compare sa recette et ce qu'il doit payer <laughs> en, cas d'infraction, il ne va pas accepter. Le, tous les taximans, ils seront les premiers à te dire Monsieur, ne me créez pas de problème. Mm. Vous comprenez C'est la même chose. C'est la même chose. Vraiment, la jeunesse, c'est elle qui va construire le pays là. Donc si on les laisse mourir bêtement sur la route, je me demande comment le pays va se construire kuma kuna iya a ta WhatsApp jeune au 80 06 88 à 54. Vous le savez déjà, il n'y a pas de fada sans musique. Écoutons ce son très symbolique de cet artiste tant aimé par les jeunes, Moto Moto de DJ Arafat, qui nous a quitté sur une moto sans casque. Canada, DJ Abu Rock. Abinate. matasan mu nan ga a Place Montagne Fast Commissariat Central inda muke hiran kask da har yanzu matasa sun ki basa so wasu basa son saka muna tare da Aliyu Umaru coordinator kin ONG fonde Mabori a yara hanyoyi hanyoyi sun gyaru yanzu eh. Nasiru Bodo yana cikin shon volunteer da suke aiki ba su kan security ruce su ne in kun gane su wasu matasa masu wata riga tsanwa ko jile eh. jile jon gudun mu ake an gane mu jile jon ku ne ke eh, kama ma polisai masu masu ikon ne kwa ko polisai ne kuma sai su yi ta abin ga tara mu ke a ah, mu kasa ne kuma mun zo ne dan mu gaya muku amfanin passerelle da sauran abubuwa. To kenan su ne kuke gani a bisa kan hanyoyi anan Nyamai kuke kadai ko ku kuna Eh bon oh, jusque là muna da Nyamai mais hmm. mun yi activité guda can Zender. Okay. À l'occasion de la fête tournante, on a été hmm. là-bas mmh, avec quelques camarades. Oui, on a organisé ça. Parce qu'il faut revoir aussi, il faut nationaliser la musique. Parce que c'est seulement même à Niamey qu'elle est imposée. Total. Alors que ce n'est pas seulement Niamey qui doit ouais. bénéficier. Agadez, Maradi, Agadez. Zender, oui, surtout Agadez. Il y a beaucoup d'autres régions dans lesquelles les jeunes font les jets dangereux là, à la Arafat et beaucoup d'autres ouais, choses. Ouais, a wannan fada muna mon da mushen mu na sami mushen mu na lahiya major kin sami monsieur Bubakar tuna mana wai utilité importante, portan wannan casque. Utilité porter wannan casque entier. ce. ceinture de sécurité. Bah, bah, ka ça casque ba accident ne ba. Amma in kana casque in kai accident jimuwa da za ka yi irin su ba dai ne ba da wanda bai da kaska mm. wanda bai da kaska ya accident kan shi zai hosh ka gani yana da kaska ne zai amortir kan abun ga shokakin mm. kenan baka jimu kamar wanda bai da kaska kana mm. samu dama cikin jimu haka nan ne aliyu umaru depuis 2010 l'UMOA a pris une directive pour instaurer dans nos systèmes éducatifs le, la, formation, en tout cas, de, de, la sécurité Il faut que les jeunes à l'école primaire déjà puissent avoir ces valeurs. Malheureusement, malheureusement peu de pays, peu de pays l'appliquent. Or, lorsque le jeune il est préparé, parce que le jeune aujourd'hui, c'est lui demain qui va être cycliste, motocycliste, et, euh, automobiliste. Il grandit avec. Hein, malheureusement, euh, nos, nos pays traînent à un certain âge vous savez, on ne peut plus éduquer, hein? on ne peut plus éduquer la personne, on ne peut plus changer la personne. Donc il va falloir que nous continuions les sensibilisations, mais aussi sensibiliser aussi l'autorité compétente. Il faut que l'État, à son niveau, puisse prendre des mesures. Parce que ceux qui meurent bêtement, ce ne pas des animaux, ce sont quand même des, Nigériens, c'est des humains. des humains qui sont censés construire le pays. Des gens dans lesquels l'État investit beaucoup de ressources. Imagine un étudiant qui meurt parce qu'il n'a pas porté de casque. Mais c'est une perte énorme, non seulement pour sa famille, mais aussi pour l'État qui a investi dans son éducation pendant plus de 15 ans. Donc c'est pourquoi il faut vraiment relativiser et que l'État comprenne que ces actions que nous menions, ces actions que les jeunes volontaires mais c'est pour la bonne cause. Comment euh, l'un des avantages du casque C'est ça aussi, la qualité du casque. tout à fait. C'est ça que je voulais parler. Il faut que le casque soit homologué. ok, parce que dans, dans, les pays qui se respectent, il faut le dire comme ça. Pas casque qui est On ne porte, pas pour porter. Ce qui est dommage, c'est que la dernière fois, il y a des jeunes qui ont été interpellés par la police et l'un des jeunes a remarqué que sur la moto, même du policier, il y a un casque qui n'était pas conforme, un casque de chantier. Ça là, il faut faut le Il faut aussi sensibiliser même la police pour chasser des jeunes comme des, des, des terroristes parce qu'ils n'ont pas porté de casque. Je pense que là aussi, il y a un problème. Il Ça aussi, il faut le dénoncer. C'est des pratiques inadmissibles. Il faut qu'on les ah, Parce que ah ça, ça crée des accidents aussi. C'est les forces de l'ordre, mais beaucoup de jeunes parmi eux créent beaucoup de désordre. Il faut que ça s'arrête. Monsieur Boubacar, kenan ina on wannan pursuit qui ma da ake yi an ga matashi bisa kan motan shi bai sa kask ba mhm. sai a gudu police sai bishi da gudu shi ma kuma wata babban matsala ah, wannan ma matsala ne parce que a bai de casque déjà bai Il y ya police polisi yana so ya koma yana juya polisi ya bi shi kenan accident za su yi notre problem ça aussi il faut il faut le régler ai matasan su kan kan namu kaman koi ne koi in ah, ya wadi zai fashe ko to in koi yana da kas ko ah, ya wadi ya wadi wa wa je je je mun gore an ma hausa hausa zuwa eh hausa hausa da wuya kuma yana da wuya kuma gaskiya mm. eh, ba da son mu ne ba muna mm. turai eh, Et vous savez, moi, j'ai, en écoutant le président, j'ai, d'autres idées me sont venues à l'esprit, ah ah. notamment la sensibilisation de la police elle-même. Parce qu'il faut que le contrôle cesse d'être commercial. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui fuient les policiers, ils ne le fuient pas pour autre chose que la peur de débourser. C'est l'argent, hein. c'est l'argent c'est loin. Maintenant, c'est quoi C'est que le policier, même quand il fait son, son contrôle, c'est-à-dire il, voit, il doit donner à ces jeunes la garantie que bon, les fait pour son propre bien. Comme il l'a dit, on ne peut pas poursuivre un motard en infraction comme un terroriste. Mm. Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai vu ah, à ah, l'échangeur mali ah, un policier qui voulait attraper un motard comme au village on attrape les critiques. <laughs> Mm. Je vous assure. Allah, comment ça de Wadi Ya hwadi. Ya jimuma. Policier qui hwadi. Non, bah policier bah. comme Et tu vois, et ça là, le policier il est protégé par euh, la police, par sa hiérarchie. Alors que lui aussi il doit il doit, il doit être poursuivi. Tout à fait. Donc, vous voyez, les problèmes sont à tous les niveaux. On doit pouvoir les gérer à tous les niveaux. Et par rapport au casque, quand nous, nous avons commencé à faire la sensibilisation, le responsable de Niamey nous a approché. On lui a dit, avant de prendre la mesure, que voilà ce qu'il fallait faire. Parce que même avec la mesure, vous avez remarqué qu'il y a eu une inflation, une spéculation autour du prix. Là aussi, c'est un autre problème qui interpelle les autorités. Parce que C'est C'est pas 10 000, 15 000, quand la mesure était. Eh, hmm. Oui, donc vous voyez. Hmm. Voilà, tout ça là, c'est des problèmes. Mhm. C'est des problèmes parce que c'est vrai, lui, il est là pour les jeunes, il sait que les jeunes chantent. Il y a beaucoup de jeunes qui chantent, qui n'ont rien. Vous pouvez réagir en envoyant vos questions et c'est super facile. Envoyez jeunes au 80 06 88 54. Un autre tour en musique, on se reprend juste après. Ça bouge de partout de Robinho Mundibu. What in a Monday fada tare da matasanmu a nan place face commissariat central parle du port du casque et de la ceinture de sécurité avec Nasir Bodo jeune volontaire da suke qui bisa en sécurité routière muna tare da Bubakar Mamudu major kin samu shi kuma shi zai kara tuna muna amfanin sa wannan kaskakin da wanda ya sa des da wanda bai sa kask ba ko an waɗi ya ce ba ɗaya ba ne muna tare da aliyu umaru kin on oh, ONG fonde ma bori a gyara hanyoyi cikin gyara hanyoni kun ba hanyoyin kaɗai bane hada casque de ceinture de sécurité su ma ai duka hanya ne su ma duka hanya ne ko président oui oui oui c'est ça kenan hada ceinture de casque. cikin harkokin eh mana eh mana da komi da komi passage piéton komi c'est globalement komi maintenant que faut-il faire concrètement pour avoir une discipline totale dans la circulation a samu dai Que su gane casque wanga ce que sache je pense que c'est dans l'éducation que les gens doivent euh, mettre le plein mhm. C'est dans la sensibilisation pour faire comprendre aux, uns et aux autres que tout ce qu'on leur demande, c'est pour leur bien. Porter la ceinture de sécurité, c'est pour soi-même porter le casque, c'est pour soi-même. C'est en mhm. tout cas sur ces, ces mots-là que les gens doivent se baser pour faire la sensibilisation l'éducation aussi doit, doit, être de, mise. Oui, bon, idée, bon idée. je pense que chacun à son niveau doit se responsabiliser, que ce soit Hukuma, que ce soit Moumatashi. Mais Moumatashi, mon gars, éducation, c'est comme il l'a dit, c'est une affaire des nations. Ça se fait à long terme. Hmm. De l'immédiat, là, vous ne pouvez pas, par exemple, planter un arbre et vous attendre aux fruits tout à l'heure. Ce n'est pas possible. Ouais. C'est des objectifs à long terme. Mais à Hwara déjà. Oui, à Hwara, le président de l'ONG Gréchi, le fonds de Moujen volontaire, ni bénévole. Bénévole, moi, je suis ayukan Sous de mouche. Sous eh, Margabata, comme son mesure. Parce que moi, j'ai trouvé même que la mesure était brisque. Hein. Parce que nous, on a, oui, on aurait voulu qu'il nous laisse ou qu'il créent euh, crée, qu'il ait une idée de faire des petits comités au niveau de toutes les communes. Des jeunes volontaires qui puissent vraiment s'investir pleinement pour aller vers ces jeunes. Parce que c'est comme les FADA. Aller dans les FADA, dans les écoles, dans les concessions. Dans les concessions, pour parler de la question. On fait une grande offensive et là, la mesure va suivre. On ne prend pas une mesure comme ça, juste parce qu'on a envie de la prendre, quelle que soit sa pertinence. Il faut déjà un amont, un travail de fond hmm. pour déjà préparer psychologiquement les, gens à ça. Et à accepter ça. Parce que vous voyez, c'est au-delà des jeunes. Donc vous voyez, il faut aussi peut-être parler aux parents. Parce qu'il y a des parents qui jusque-là... Ah, c'est ça, mon moto, bah, c'est au casque. Bah. Voilà. Donc, il y a des parents qui sont Donc, moi, je me dis que si on parle aux parents, on parle aux jeunes, on parle à toute la société. Il faut que la société, qu'on arrive à mettre la société devant ses propres responsabilités. a? Toi, président, Gareka, eh. un dernier mot, une, idée comme ça, quoi. Il nous faut ça. vous savez, quand il y a une loi, il faut d'abord la vulgariser. Ensuite, il faut qu'il y ait une application stricte. Vous savez, il ne faut pas aussi qu'il y ait deux poids, deux mesures. Souvent, les gens sont frustrés parce qu'ils voient au niveau des carrefours, et lui, il est civil, on le prend, l'autre, parce qu'il porte la tenue, on le laisse passer. Donc cette frustration pousse beaucoup de personnes à ne pas respecter, à ne, pas respecter la loi. Et, vous savez que les acteurs de la sécurité routière sont nombreux il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a le ministère des Transports, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le ministère de la Communication, le ministère de l'Éducation. Donc c'est vraiment multi-acteurs. Mm. C'est tout ce beau monde-là qu'il faut mettre ensemble pour réfléchir et définir. Vous savez, l'autre maillon faible de la chaîne, c'est aussi les ressources. Quand vous allez au ministère des Transports, la direction de la sécurité et de la circulation routière, allez-y demander leur budget la même direction au, Togo, ils ont plus d'un milliard par an pour faire des actions de sécurité routière. Or, ils ont moins d'accidents qu'au Niger. Mm. Comment Mais hein. lutter mm-hmm. contre l'insécurité mm-hmm. routière avec 10 millions ou avec 20 millions Ce n'est pas possible. Donc, il faut que l'État puisse mettre les moyens qu'il faut. Vous savez, on va, on va clôturer la décennie d'action 2011-2019 euh, dans quelques jours. On va se rendre à en Europe pour évaluer les actions menées au cours de cette décennie. Il y a des ressources au niveau international, mais en amont, il faut que le pays puisse s'asseoir et mettre en place son plan décennal. C'est vraiment, vraiment très décourageant, mais qu'à cela ne tienne. Nous qui sommes les jeunes, nous qui vivons, parce que lorsque un jeune à la suite d'un accident. Nous savons ce qu'ils subissent. Donc nous ne pouvons pas nous empêcher d'être sur vos plateaux, d'être sur les, différents médias pour sensibiliser. Parce que la sensibilisation, elle est importante, mais elle ne suffit pas à elle seule. Ah, il faut qu'il y ait des mesures, hein. des mesures de répression. Autant il faut sensibiliser, Autant, il, faut sanctionner. faut, non, il faut chicoter. <laughs> chicoter même. Il faut chicoter. c'est comme, ça que les gens eh, ils vont changer de, ah, Président Avant de clôturer cette émission, place à la chronique d'Olivier. Samedi 26 octobre 2019, dans la chronique d'aujourd'hui, je vais vous parler de Fred, du salon de l'étudiant, mais aussi de la nouvelle sortie littéraire de la femme de lettres francophone Fatou Diom qui a un message pour l'Afrique. Fred n'est ni un homme ni une femme, c'est une plateforme d'éducation en ligne. Sur cette plateforme, vous pourriez accéder à des formations diverses. Et ce qui est intéressant sur cette plateforme, tout est gratuit, rien à payer. Et pour avoir accès, il suffit de rentrer dans la barre de recherche de votre navigateur et taper franceeducation.fr. Retour à Niamey, une activité à ne pas rater cette semaine qui s'annonce du 30 octobre au 1er novembre. Participez au Salon de l'étudiant organisé par Campus France. Ça se passe au Centre culturel franco-nigérien. Nos confrères de la chaîne anglaise ont demandé à Fatou Diom, la franco-sénégalaise, qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour lancer son développement. Pour se développer, l'Afrique a besoin d'un sursaut d'orgueil. Si vous allez chez quelqu'un, il ne vaut pas de vous. Restez chez vous. Montrez-lui que vous pouvez le faire. Moi, si je devais balayer encore les, toilettes à Strasbourg et nettoyer du carrelage là, je serais parti à Dakar vendre des beignets de mille. C'est très bon. Très bon, les beignets de mille. La rage ne suffit pas. Il faut transformer ses rêves en projet, les projets en réalisation. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on, n'est pas condamné à l'échec. progresser lutter quand on a l'a fait Apprendre, comprendre, entreprendre. C'est ça les trois mots-clés. À demain pour une nouvelle chronique. D'ici là, portez-vous bien. Pour le Niger, restez motivés. Pour l'Afrique, restez concentrés sur vos projets. Merci à Lawali Issa grâce à qui cette chronique a été réalisée. Bye bye la FADA, nous étions avec Ali Omarou de l'ONG Fondé Mobori, nous étions avec Nasir Bodo, jeune volontaire qui travaille dans la sécurité routière. Dukanan Suzo Sumbam Idekensu, Muna Tarada, Boubacar Mamoudou, Major Kinsamu, Shimaya Bam, Akanza Ay Abunde Kamata Ay pour que Matasa Sgani, Aragewana accident, Hadari Haribuskan Hanya, Munji, Raaywana Matasan, Kuma Munji Abunda Sukagai, de cri de cœur Kinsu Sukai lancé. C'est la fin de la FADA d'aujourd'hui. Rendez-vous demain d'Abokin Aikina Dondi. Je suis comme ça, ils en chantent N'oubliez pas de nous envoyer vos questions. Vous pouvez également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 à 54. À très bientôt pour un autre numéro de Tous à la Fada du samedi.